Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Euh, avec ce jour spécial qui constitue euh, l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal, 64e indépendance, anniversaire d'indépendance du Sénégal, ce 4 avril 2024. Et vous le savez donc, euh, pour la circonstance, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, va procéder à une cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République. Ce sera dans quelques instants avec tout son gouvernement pour ce jour spécial de notre accession à la souveraineté internationale. Alors sans plus tarder, nous allons tout de suite euh, retrouver Aboubakri Khan qui est au Palais de la République. Aboubakri, bonjour. Euh, je vous aperçois, bienvenue et bonne fête d'indépendance. Bonne fête d'indépendance également à tout le peuple sénégalais. Merci, cher Ahmadou Bambagay. Bienvenue au Palais de la République où le décor est déjà campé pour vous faire vivre donc euh, le 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, la première avec le plus jeune président élu de l'histoire politique du Sénégal, en l'occurrence son Excellence euh, Bassirou Diomaye Faye. Avec moi pour vous faire vivre donc euh, ces moments de télévision, Omar Nying, Omar, aujourd'hui, est un grand jour, comme Bamba l'a dit, un jour qui consacre l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. La fête de l'indépendance, Aboubakri, bonjour. Bonjour, euh, cher Bamba, et à tous les téléspectateurs de la télévision nationale. Euh, c'est un moment extrêmement important, vous l'avez rappelé. Euh, généralement, on avait droit à un défilé sur le boulevard euh, de la nation, euh, grandeur nature, mais euh, cette année, le président de la République nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, a choisi de célébrer donc, cette fête de l'indépendance dans la sobriété. C'est ce qui explique cette cérémonie solennelle de levée des couleurs. et certainement, je le disais, l'année prochaine, on, va renouer avec les festivités, avec un grand défilé et certainement euh, parce que le contexte, euh, évidemment, euh, va donc s'y prêter. Aujourd'hui, donc, nous sommes au Palais de la République où le président Bassirou Diomaye Faye est attendu exactement à 10 heures. Avant lui, évidemment, il y aura des autorités civiles et militaires qui vont arriver ici, le précéder, donc sur cette place euh, mythique, le palais de la, République euh, qui abrite cette cérémonie euh, solennelle à Effectivement, Omar, vous l'avez si bien dit, deux jours seulement après sa prestation de serment, le président Bassirou Diomaye Faye a opté donc pour une cérémonie solennelle de levée des couleurs à la place du traditionnel défilé civil et militaire à la place des nations à la place de la nation ou encore la prise d'armes à la place de l'indépendance. Il a opté donc pour euh, la levée des couleurs, une cérémonie militaire solennelle qui marque donc le 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Ce sera donc des grands moments euh, qui vont marquer donc cette cérémonie, la première du président nouvellement élu et d'importantes autorités sont également attendues ici au Palais de la République. Omar. Oui, effectivement, euh, des autorités civiles et militaires euh, parce qu'à qu'Aboubakri, vous savez, hein, euh, le, 4 avril, c'est également la fête des forces armées. Euh, c'est pourquoi ils seront présents, ceux qui dirigent ces institutions de notre armée nationale, mais également sont attendus ici les présidents d'institutions, à savoir le président du Conseil économique, social et environnemental, le Haut Conseil des collectivités territoriales, euh, mais également le président de l'Assemblée nationale. Je devais commencer d'ailleurs par lui. Euh, donc, euh, il y aura également le Premier ministre. toutes ces autorités vont donc arriver ici avant le président de la République, dont la venue ici au palais est prévue, je le rappelle, à 10 heures précises. Et à ce moment-là, on donc procédera à cette cérémonie symbolique de lever des couleurs. Vous les apercevez, euh, donc la mise en place est déjà terminée. Euh, on voit euh, le détachement de la garde présidentielle qui va donc faire les honneurs aux autorités qui seront ici présentes sur le, perron. sur le, perron d'honneur donc du, palais de la, de la République à Boubacri.

ñu ngi xaar fii ci bu 10 heures jotee laata muy ñëw nak am na yeneen autorités yoo xam ne ñu ngi leen di xaar ñu ñëw war a mën a fekkee euh, lii di lever de couleur fii ci palais de la république li ñu leen mën a euh, xamal rek moo di euh, kii nga xam ni mooy le colonel Adama Gueye di gouverneur militaire du palais moom jot na yegg si ba palais donc ñu ngi xaarandi yeneen autorité yi comme ni ko Omar waxee président assemblée nationale président conseil économique social et environnemental waaye itam yeneen autorité yoo xam ni dinañ ñëw

L'arrivée du chef d'état-major général particulier du chef de l'État, à sa suite, euh, il y aura certainement d'autres généraux qui vont venir donc euh, euh, retrouver les autorités ici au Palais de la République. Omar Moudi, Lohamni, loo Yefi, ni day Palais de la République. absolument Abou Bakri, nga gis ñeneen ñu comme nous ko autorités yi nga xam ni ñoom ñoo euh, représenté armée bi euh, ñoom ñooy jiitu président de la république waaye tamit yeneen président d' institution yi euh, wax nga ko léegi chef de état major particulier du président de la république moom moo ñëw noonu léegi nag ci programme bi dafa naa kii war a yegg si après moom moom mooy kii nga xam ni mooy le général de corps d' armée Euh, chef d'état-major des armées euh, Momo Wara war voilà le grand chancelier dafa le grand chancelier dans tous les cas on va l'apercevoir euh, bu yegsee rek kon ñu dundu ngeen dund li nga ko koy donc en principe chef d'état le le le le général grand chancelier Momo mooy euh, bu ci noppee waa may après euh, je pense que si le euh, le SEMGA di ñëw ak ki nga xamante ni moo diriger gendarmerie muy le haut commandant de la gendarmerie nationale donc ñoom ñëpp kon dinañu teew fii ci kanam su ko defee ñu ñëw précédé président de la république ak yeneen chef d'institution yi ndax noonu le cérémonie bi daan demee fii euh, bu euh, des couleurs bi euh, prévoir Effectivement, donc après l'arrivée du chef d'État-major particulier du chef de l'État, il est attendu l'arrivée du grand chancelier, mais également celle du SEMGA, le chef d'État-major général des forces armées, mais aussi, comme vous l'avez dit, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, en l'occurrence le général Moussafal. Fall. Mais il y aura également les présidents d'institutions, il y aura également le nouveau Premier ministre Ousmane Sonko, qui fera partie des proches collaborateurs du président Bassirou Diomaye Djahar Faye, qui sont donc attendus ici au Palais de la République. Oui, cérémonie euh, fi lañ koy ci palais de la république muy levée des couleurs euh, loolu nag euh, li liko waral moy président bassir Diomaye Faye def ko euh yéene célébrer 4 avril fête de l'indépendance dans la sobriété mo waral kon ñuy def cérémonie de levée des couleurs bi kon nous euh, allons assister à l'arrivée des officiers généraux. Euh, Il s'agit de M. monsieur le euh, général d'armée de corps d'armée grand chancelier de l'ordre national du Lion. grand chancelier comme numéro. monsieur le général de corps d'armée chef d'état-major des armées. de monsieur le général de corps d'armée haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. arrivé ah, arrivée groupée des officiers généraux. en l'occurrence euh, le général Meysseignan grand chancelier mais aussi le SEMGA et le haut commandant de la gendarmerie nationale directeur de la justice militaire Omar ñaari donc il de serment on opté donc pour amal li nga xamni modi des couleurs fi ci oh, de la république wute ak euh, li ñu daan gis 4 avril bu am bu défilé militaire et civil fallait ci place de la nation wala sax prise d'armes ci place de l'indépendance mom nak ñaari fan ginnaaw bi mu toogee rek mo opté donc pour amal fi ci makanu njiitu réew mi li nga xamni moy des couleurs ngir magal donc li nga xamni moy 64e anniversaire indépendance du suñu réew di Sénégal. voilà juroom benneelu juroom benn fukki yoon euh, ak euh, euh, muy 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal gannaaw nak ba officier généraux Mme manam Semga au commandant de la gendarmerie ak ki nga xamanteni chancelier le général Nyan. Euh, dañu opté donc euh, gis nga Aboubacry pour euh, des arrivées groupées donc ci loolu sax mën naa wax ni ñii ñuy xaar après officier général yooyu moy ñaari ministère ñaari ministre yi nga xamante ni ñoo wala bok ñoo jiite kaaraange réew mi le ministre des forces armées avec le ministre de l'intérieur donc ñoom ñaar ñooy ñëwandoo suñu sukkandikoo ci ci programme bi euh, dañ leen di euh, boole ñoom ñaar ñu ànd ñëw euh, donc ni ñu ko gisee ci officiers généraux yi nga xamante ni ñoom ñoo leen jiitu en tout cas mu nekk ñaari ministre Mokhtar Cissé Mouhamadou Mokhtar Cissé ak ki nga xamante ni mooy Oumar Youm en principe normalement ñoom ñooy ànd ñëw fii ci palais de la République Aboubacry Effectivement, après donc l'arrivée euh, des généraux, il est attendu, comme vous l'avez dit, euh, celle du ministre de l'Intérieur, euh, Mohamed Mokhtar Sissé, en compagnie du ministre des Forces armées, Maître Oumar Youm, qui ne vont pas tarder donc à faire leur entrée ici au Palais de la République. Et après eux, on aura également l'arrivée des présidents d'institutions. Voilà, voilà. Dans un instant, nous allons assister à l'arrivée groupée de M. le ministre. Il s'agit de M. le ministre, directeur du cabinet du président de la République, et de M. le ministre, secrétaire général de la présidence. Arrivée groupée de M. le ministre. Präsentin! Stop! Thank you. Euh, ministre de l'intérieur Mohamedou Martha Sisemi mi Birreomi, Mounionak Andak mu ñëw nak Omar ñaari collaborateur yu yes yi nga xamni na ci ñi ñi euh, régime euh, son excellence Bassirou Diomaye Faye Moudi di Mary directeur de cabinet du président de la République mais également Oumar Sambaba, secrétaire général de la présidence de la République voilà mu wuté kon li ñu programme nous euh, avons euh, ministre de l'Intérieur MFA ministre des forces armées mais donc comme nous euh, les nouveaux ministres directeurs de cabinet et ministre secrétaire général ñoom ñoo ànd ministre de l'intérieur, kon ci arrivé nga nañ ko su nañu ba ci ci programme bi euh, donc, euh, nous nous assister à l'arrivée des présidents d'institutions. Euh, donc, nous Dafanani arrivé groupé l'AINEC. Hein, On attendra de voir, mais qui programme bi en tout cas, nous allons nous prévoir. Euh, président des institutions, président Assemblée nationale, Premier ministre, président Conseil économique, social et environnemental présente euh, au Conseil des collectivités euh, territoriales euh, en principe N'yom ñoo wara top. a topp nak ñom si le rewmi président Bassirou Diomaye Faye di yegg 10 heures en principe ngir rek ñu tambali cérémonie Effectivement, après l'arrivée donc des, autorités militaires, on a assisté à l'instant à l'arrivée des autorités civiles, notamment le ministre de l'Intérieur, en compagnie donc euh, des tout nouveaux collaborateurs du président Bassirou Diomaye Faye, euh, le, ministre directeur de cabinet Marito Ounyan, mais également le ministre secrétaire général de la présidence Oumar Sambaba. Euh, il s'en suivra donc l'arrivée des présidents d'institutions, comme vous l'avez annoncé. Il s'agira du Premier ministre, du président du Conseil économique, social et environnemental, et également de la présidente du euh, Haut Conseil des collectivités euh, territoriales qui euh, devrait arriver également en même temps ici au Palais de la République. Ouais, et on aperçoit à l'instant les, des visages qui nous sont familiers à hein, Boubakri, des, des, gendarmes qui collaborent avec nous ici au Palais de la République, notamment le, commandant Dong et le colonel Ndiaye et d'autres gendarmes qui assurent euh, la sécurité ici, euh, de même que les, autres, hein, la garde rapprochée, euh, c'est l'instant, c'est le moment de leur rendre un vibrant hommage parce qu'ils abattent un travail extrêmement important, notamment dans la sécurité du président de la, de la République, de même que bien sûr ce détachement de la garde présidentielle qui assure les honneurs à, en de pareilles circonstances. Euh, donc c'est le moment, puisque c'est la fête de, des forces armées aussi. Euh, c'est l'occasion pour nous de, de, leur souhaiter une euh, excellente fête euh, aujourd'hui, 4 avril, à Boubakri. effectivement xam nga du 4 avril moi dañuy magal, bés bi nga xam ci la Sénégal moom boppam mu di feet boo xam Sénégal yëpp ko C'est la nak ñi nga xam ni ñooy takk der C'est ñu am ci cër bu am solo rawatina nag tey ci li nga xam ni levée des couleurs mu am un détachement donc de la garde présidentielle bo xamni mo am honneur tay amal euh, li nga xamni euh, moy am ci palais de la République moy honneur yi ñu war a dit di son excellence euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye mm-hmm. voilà le, le général Moussa Fall euh, euh, qu'on ne présente plus euh, qui joue un rôle également extrêmement important dans la sécurisation du pays de même que les autres

Je nga xam maître de cérémonie bi vais ngi doon donc euh, annoncé euh, premier ministre mu war a ànd euh, conseil au conseil des collectivités territoriales ak ki nga xam ni président conseil économique social et environnemental. voilà muy institution yi nga xam ni ñoom ñoo président de la république nga xam ni moom moo jiitu ci institution yooyu euh, kon ñeneen ñi topp ci moom euh, muy président assemblée nationale ak euh, conseil des collectivités territoriales président conseil économique social et environnemental ñooñu kon di institution yu am solo maître de cérémonie bi annoncé na premier ministre ak président conseil économique social et environnemental donc su fekkee jàppandi na dafa naa leen euh, gis ñu yegg euh, euh, palais de la république le président de la république Bassirou Diomaye di yaksi. si ndax nonu lañ ko ci doxalinu cérémonie bi muy lu am solo ñi ngi doon waxtan ci rôle bu am bi nga force de défense et de sécurité yi ñu koy jouer ci baxna ñukay fatali waye tamit di leen ci sante di leen gërëm ci seen taxaway euh, di fatali également que thème bi d'ailleurs euh, ci lool la jëm mu di le rôle des forces armées dans la cohésion nationale euh, té démb ñitt réew mi ci discours bi nga xamni moy discours bi mu ñëk amal fatali nako moy mooy li muy woote mooy jàmm li muy woote mooy Sénégal and doon ben ñu ànd juboo donc daa di doxal. Euh, té li muy mandargal rek instant bi ni moy que ni état continuité la ndax euh, chef de président d'institution yi nga xam ne nañ len sank ci régime président Macky Sall lañ len falé won euh, tey ñu wara mëna mën a ñëw nga xamni moy première donc levée des couleurs bu njiitu bu bees di Bassirou Diomaye Faye li ñu wax rek les hommes passent les institutions demeurent Mudi lu am solo également ci taarixu Sénégal waaw ah, noonu la noonu la état tëddee euh, ba tax kon euh, lolu sax mo waral gis nga nga nga gis teewaayu. mesdames et messieurs arrivée des présidents d'institutions sànq léegi la ñuy doog a di yegsi voilà muy premier ministre le euh, euh, président conseil économique social et environnemental ouais, président président l'Assemblée nationale présenté ci Amadou Mame Diop. Euh, de la musique des forces armées, vous vivez avec nous l'arrivée euh, du tout nouveau euh, Premier ministre, en l'occurrence Ousmane Sonko, accompagné du président de l'Assemblée nationale Amadou Mamdiop, mais également du président du Conseil économique, social et environnemental Abdoulaye Daouda Diallo. Voilà, ils seront euh, complétés par la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame Aminata Mbenguindjaï, vous l'apercevez. Elle est passée de l'autre côté, euh, donc pour euh, dans un instant, euh, nous allons assister aux côtés des autres institutions. revue son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Voilà, donc le maître de cérémonie qui vient d'annoncer l'arrivée imminente du président de la République, Bassirou Diomaye Djahar Faye, qui, dans quelques instants, donc, va arriver ici au Palais de la République et ça va marquer donc le début de la cérémonie solennelle de levée des couleurs ici au Palais de la République Voilà, c'est dans quelques, dans quelques poignées de, secondes, on va dire, euh, parce qu'il est 10h moins 2. Euh, dans deux minutes plus précisément, euh, vous allez apercevoir le président de la République, son Excellence Bassiro. Diomaye Djahar Fay euh, ici, euh, donc, euh, qui va rejoindre l'assistance, la mise en place déjà prête pour donc assister, diriger, lui le président, cette cérémonie de, levée des couleurs symbolique de la célébration de la fête de l'indépendance de notre pays, 74e du genre Aboubakri. Effectivement, euh, le président de la République va donc, à son arrivée, passer en revue le détachement de la garde présidentielle avant donc euh, d'assister à la levée des couleurs jusqu'au mât. Et ensuite, il viendra donc saluer les autorités présentes ici au Palais de la République pour assister à cette cérémonie solennelle de levée des couleurs. Voilà, les euh, Grecs, président Bassirou Jamaïfaï yaksina fi ci palais de la république di ngeen euh, gis maître de cérémonie bi annoncé ko légui légui ndax euh, dix heures pile euh, la waron dugg ci fi dix heures nak danaka moins une minute légui rek ngeen gis ko mu yaksi kon jaar ci tapis rouge bi ñu rendre ko les honneurs voilà ñu ak maître de cérémonie et revue de son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la république chef de l'État habillé en tenue traditionnelle, euh, une tenue assez symbolique, hein, parce que c'est la fête de l'indépendance. Hein. Euh, lii day firndel rek ni mom euh, li mu wax démb lu mu gëm la modi nañu fexé ba wane ni mom la le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par un détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle, commandé par le lieutenant de Michel Ndiaye. À vos autres, monsieur le Président de la République. Attention pour les couleurs. Ah ouais bàkku suñu réew di hymne national di wane neer ni euh, jëf yi dafa mel ni donc la, levée des couleurs qui consacre la célébration du 64e anniversaire de notre accession à l'indépendance marquée donc par euh, une levée des couleurs. Le président Bassirou Diomaye Djahar qui est arrivé à 10 h qui a passé donc en revue euh, le détachement de l'escadron spécial donc euh, de la garde présidentielle avant de saluer les autorités civiles mais aussi les autorités militaires, notamment les présidents d'institutions

Euh, ay honneur euh, ginnaaw gi kon euh, ñu yëkkati drapeau bi loolu kon mooy cérémonie symbolique bi nga xam ni moom la ñu doon amal ngir rek célébrer fête de l'indépendance bu Sénégal ren ni mu ko gisee wala boog ni mu ko dogalee moom président Bassirou Diomaye Faye léegi nag gannaaw ba ñu defee cérémonie bi day ànd ak kilifa yooyu le Euh, Fichi palais de la république Chibir palais Bingirek, ngir un grand moment de communion après donc cette cérémonie solennelle de levée des couleurs euh, qui euh, donc marquait la célébration de l'indépendance de l'anniversaire de l'indépendance de la république du Sénégal c'était donc un moment assez symbolique Bakri, que nous avons eu le plaisir de vous faire vivre hein, chers téléspectateurs donc Abou ma Euh, dellu fële euh, triangle sud ak euh, Cheikh Amadou Bamba Gueye voilà ni ko Omar waxee rek Cheikh Amadou Bamba Gueye lii la ñu mënoon jàppandi ci li nga xam ni moo xew tey fii ci màkkaanu njitu réew mi mu di levée des couleurs bi nga xam ni day sargal di màggal bés bi nga xam ni ci la Sénégal moom boppam ñu toll ci 64e anniversaire prés njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar fay jiite ko. bi mu paree nag mu daal retiré wu ànd ak autorité yi nga xamni ni ñoo fekkee euh, cérémonie bi li lañu mëna jappandi a ci li fi xewante ci makkaanu njiitu mi di présidence de la république. Aboubacry Kane. Voilà, euh, donc merci beaucoup Aboubacry Kane, également merci à Oumar Nying qui était ensemble au Palais de la République pour vous faire suivre donc en direct euh, cet enfort de cette cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République avec le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, avec la présence euh, des présidents d'institutions, mais également des collaborateurs du président de la République, de son cabinet présidentiel et bien entendu euh, les officiers généraux qui sont également présents, le SEMGAL au commandement de la gendarmerie nationale, le grand chancelier de l'Ordre national du Lyon et enfin qui ont été rejoints par le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, qui a présidé euh, cette cérémonie de levée des couleurs qui marque l'anniversaire de notre indépendance du Sénégal, 64e indépendance. Merci de nous avoir tenu compagnie depuis ce matin. Merci de votre fidélité. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de votre télévision nationale.